ressources qu'on va avoir du pétrole. On n'a pas besoin de discuter de ça. Les ressources qu'on va avoir du pétrole, sur le pétrole ne sont pas plus importantes que celles qu'on aura sur les ressources fiscales. On les amène à l'Assemblée nationale, on les vote, on dit voilà ce qui va à l'éducation, voilà ce qui va à la santé, ainsi de suite. Nous, on ne nous trompera pas. Donc, forfaiture grave sur ce dossier depuis le début, impliquant le président Macky Sall lui-même, qui a violé son serment, impliquant Alingou et son ministre, qui a inscrit du faux dans les rapports de présentation, impliquant son petit frère qu'ils ont eh, eh, impliqué dans un dossier en violation des règles minimales par rapport au conflit d'intérêts. Et on veut qu'on efface tout ça pour venir nous parler de ce dossier. Tout ce qui a été fait dans le monde du pétrole a été en violation du code pétrolier. Le dernier en date, c'est le dossier total. Comment pouvez-vous admettre qu'on fasse des tranches de 50 000 barils C'est inédit, c'est la première fois qu'on fait cela. Et je veux que quand on parle, que les gens parlent de ce qu'ils savent. Parce qu'on parle pour faire de la politique on gesticule, on ne connaît rien de ce qu'on dit. Des, tranches de 50 000 barils. Regardez ce qui s'est passé avec AZ Djurbel. C'est des tranches de 10 000 barils. Tous les contrats qu'on a fait jusqu'à présent, 20 000 barils avec Oranto coyard c'est la première fois. 20 000 barils avec euh, une limitation du cost à 75 C'est du vol contre le peuple sénégalais. Et vous voulez qu'on efface tout ça pour venir parler de ceci. Deuxième élément, deuxième angle, euh, cet accord est, est une véritable poudrière sur quelle base on fait 50-50 La Mauritanie, c'est 3 758 000 habitants. Taux, de natalité, 30%. Taux de fécondité, 2, enfants par femme. Le Sénégal, c'est 14 300 000 habitants. 34% de taux de natalité. 4,7 enfants par femme. Sur quelle base on nous dit Et tout ceux qui parle ici de rapport de bon il voyage, ana bon voisinage bu Mauritanie ana ana bon voisinage bu Mauritanie di top suñu pêcheur ba biir Sénégal di y mitrailler ana bon voisinage ci lolu su doon bon voisinage rek ñom war nañu am compréhension parce que ay voisins lañ te nap kat war nañ fa mëna a dem nañu bayyi wax naafeq les états n'ont que des intérêts il nous faut gérer nos intérêts nous sommes sous sous-développés parmi les 25 les plus pauvres am des ressources un bon voisinage ak nangam la vérité c'est que le le plus important des ressources se trouve sur le territoire sénégalais. Comment pouvez-vous nous soumettre un, dossier sans nous donner un minimum de documents Où est le rapport d'évaluation Quand il y a des découvertes, tous les chiffres que vous avez donnés c'est Cosmos qui les vous, vous les a transmises. Comment est-ce qu'une entreprise, partie prenante elle-même, peut vous donner des chiffres comme ça Dans la procédure, quand il y a découverte, on prend une entité indépendante qui fait les évaluations. Où sont les évaluations